Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Général, chef d'état-major général des armées, un de vos grands supporters. Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, cher Augustin, Mesdames, Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération de football, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement administratif et technique, Chers coach Pape Bonatiao et Momodou Sebani Diallo, Chers Lyon, de l'équipe nationale de football local et du beach soccer. Mesdames, Messieurs les membres de la presse sportive, chers supporters du 12e Gainé, Allez Kaza, et Lebougui. Décidément, les planètes sont alignées. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football le 6 février 2022, il y a presque un an, jour pour jour, et celle du beach soccer, en octobre dernier, voici que le trophée du championnat d'Afrique des Nations, communément appelé Chan, prend également le chemin du pays de la Teranga. Nous signons ainsi un triplé historique, sans doute le premier en Afrique. Je n'oublie pas que notre pays est également champion d'Afrique de football des sourds muets et champion de l'IFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football, dans la catégorie des filles. Entre autres, performances du football sénégalais. C'est dire Lyon, du beach soccer et de l'équipe de toutes les plages du monde. L'équipe nationale de beach soccer nous a habitués à des performances de grande classe en rivalisant avec les meilleurs talents. En gagnant pour la septième fois avec brio la canne du beach soccer, vous avez confirmé votre standing international votre suprématie continentale. Bravo. Par la force des choses, victoire après victoire, vous avez fini par imposer le beach soccer dans l'écosystème du sport sénégalais. Vous nous avez fait maîtrise technique et de l'endurance. Parce qu'il faut avoir la voix à de jeunes générations qui auront la lourde tâche de marcher sur vos pas pour maintenir le standing de notre pays dans le cercle restreint des meilleures nations de football de plage. Au nom de la nation et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu'à votre encadrement, notamment le manager général Ibrahim Ndiaye Chita, un homme de conviction et de générosité et également votre entraîneur Mamadou Sebani Diallo. Tous deux anciennes gloires de l'équipe nationale de football. Nous gardons encore intact le souvenir de vos grandes prouesses. Je n'oublie pas, bien sûr, l'ancien entraîneur Omar Ngala Silla, pour ses excellents résultats. Le 6 février marque la date du premier triomphe de notre pays en Coupe d'Afrique des Nations. Mieux encore, alors que vous étiez considérés comme des outsiders après 11 années d'absence du Sénégal en Chambre, vous avez déjoué tous les pronostics, prouvant par là qu'avec la force et la détermination du lion, il n'y a pas de pronostic qui vaille. Tout peut s'arracher jusqu'à la victoire finale. C'est ce que vous avez fait avec brio et maturité en déroulant tout au long de la compétition le talent et la personnalité propres aux grandes équipes. Nous vous avons suivi pas à pas. Nous avons vibré avec vous à l'heure de vos matchs et nous avons apprécié comme des rocs. Ainsi, vous avez joint l'acte à la parole parce que nous, vous avons entendu dire que vous n'êtes pas venu à Alger pour vous amuser, mais pour vous concentrer sur la compétition en faisant de chaque match une finale à gagner. Mission accomplie. Vous avez porté haut les couleurs nationales. La nation, par ma voix, vous dit notre bonheur et notre fierté. Je salue avec respect votre coach, Pape Bounet Tchao, de la glorieuse génération de 2002, avec votre encadrement. Bravo, Pape Tchao. Nous n'oublierons jamais la talonnade huitième de finale, 104e minute décisive à un but en or qui qualifia un quart de finale de la Coupe du Monde. Bien, on ne peut pas ne pas évoquer Djoufi et toute, toute la génération de 2002. Vous avez écrit de belles pages de l'histoire du football sénégalais. Et 2002, certains de ces jeunes joueurs n'étaient pas encore nés. D'autres étaient en bas âge. Entre-temps, je parlais de l'entraîneur Pacquiao, qui est parti apprendre le métier d'entraîneur pour revenir sur le banc en éducateur pour transmettre les leçons que tu as pratiquées sur le terrain et dans les vestiaires. Et pour ce coup d'essai en Algérie, tu réussi un coup de maître avec une équipe où se mêlent harmonieusement les talents des clubs traditionnels et ceux des académies. C'est une grande leçon de vie que toi et coach Aline Cissé, le tactico, j'ai souvent l'habitude de dire, ainsi que les autres coachs parmi l'encadrement technique, Racine, que vous offrez à la jeunesse et aux moins jeunes pour dire que tout ne s'acquiert pas tout de suite, que le mérite se cultive par la persévérance et que la récompense est au bout de l'effort. Ce qui nous rassemble qui nous rassure et nous rend encore plus fiers, c'est d'avoir réalisé toutes nos meilleures performances avec des coachs nationaux. Il y a donc du sens. Il y a du sens avec à poursuivre, j'allais dire, nos politiques public de soutien, d'équipement et d'encadrement pour le plein épanouissement de notre jeunesse sportive. Monsieur le Président de la Fédération, j'ai entendu votre appel ainsi que l'appel du capitaine des, du beach soccer, euh, des Lions du Chan, souligner davantage le football local des Sports en liaison avec la fédération et les équipes de me proposer un programme, programme national de soutien au football local. Programme qui devra intégrer l'appui du secteur privé, des entreprises publiques également, pour le sponsoring de nos équipes locales afin de renforcer les moyens de ces équipes. Mais l'État pourra également appuyer directement les professionnels. C'est la tâche que j'ai assignée à mon gouvernement, en particulier au ministre des Sports, que je félicite au passage avec ses équipes, ainsi que président de la Fédération sénégalaise de football. l'équipe nationale de football locale. Pour vous exprimer ma satisfaction et celle de toute la nation, j'ai décidé de vous allouer, ainsi qu'à chacun des membres de délégation du CHAN et de la Cannes du Beach Soccer, une prime spéciale de 10 millions de francs CFA et et un terrain de 500 mètres carrés dans la région de Dakar. Je vous dis en même temps, Dieu, Laman, ensemble faisons cap maintenant sur la phase finale la pour d'autres triomphes, d'autres jours de gloire.

anglais, peut-être le, le, nom donne plus. Mais il faut qu'on change, qu'on réfléchisse avec la CAF. Quand on dit ni gàcce ngaalaama gaynde yi les gagnés du beach soccer le football de plage Jérôme ñaari il a gagné le coupe d'Afrique loolu mosul am gisuma ko ci Afrique

dafa laaj xeex dafa laaj ñafe dafa laaj sacrifié wu ko def ngén ko kon réew yépp yëpp a ngi leen di alal yu bare dafa laj infrastructure dafa laj ay ressources humaines ay entraîneur yu xarañ ay encadrement bu am engagement ay joueurs surtout yu xam fi ñu bëgg jëm mais surtout bëgg seen réew mais aussi un gouvernement pour appeler loolu yëpp politique sportive prometteuse pour xam ne cadre tax cadre nous ñu créé Sénégal du monde di am ndam yi mu am tey loolu duñ au contraire nous avons appelé, a le may woo yi secteur public parapublic mais aussi yu gisee tam Afrique équipe yi néew doole c' est parce que dañ leen jàppale wu ay bonne volonté kese ñooy sacrifié wu di jël en charge les équipes loolu nag mënul yóbbu football dafa xaw màgg ci footballu Sénégal waaw mais xëy na coach yi ñu ngi ci xalaat fédération bi ministère bi entraîneur yi surtout il faut que ñuy marqué ay but football nag boo dul marqué mënoo gagné ko donc football bu rafet c'est bien football défensif c'est bien mais boo xësee dem dans dans la formation quand li ma doon wax rek mooy ginnaaw gendarme moom kenn waxu leen ko woon waaye dinañ bàyyi président bi mu génne coupe d'Afrique des nations parce que boobu ba léegi ñu ngi pale gars yi denc ko fu sore waaye jot nañu delloo ko fédération bi donc Ah ouais.